chers auditeurs du Niger sur Kalango. Très ravi de vous retrouver sur ce numéro de ce vendredi 3 mai 2024. Une date symbolique pour la presse qui célèbre aujourd'hui la journée internationale de la liberté de la presse. Vous êtes en compagnie de Rabia Meikano et Samira Rouafi pour la présentation. Alors, bonne fête à nous. Bonne fête, tu vas bien ce matin Je vais très bien et toi Ça va, Alhamdoulilah. Alors, déballe-nous le programme de ce matin. Comme d'habitude, nous aurons le Flash, la rubrique hebdo qui va parler entrepreneuriat, le reportage région qui nous amène à Tilabéry, sans oublier notre page sport et le loti de l'équipe femme du studio Kalangu. Dans la partie invitée du jour, nous recevons aujourd'hui Samira Moussa Idrissa du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique. Avec elle, nous allons parler de l'environnement. Cette émission ne serait pas ce que les sans... Euh, l'équipe de l'autre côté de la vitre. Nous avons Moussafa Ayouba qui gère euh, la technique et Adam Adawaki à l'édition. Top, c'est parti. Rabi, accueillons ensemble Mokhtar Hamadou pour le flash d'information. Bonjour, Oui, bonjour euh, Rabi, bonjour Samira. Le flash d'information à présent. La communauté internationale célèbre aujourd'hui 3 mai 2024 la 31e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse sous le thème la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. Dans un message livré hier, le ministre nigérien de la communication Sidi Mohamed Raliou exhorte les professionnels des médias nationaux à jouer pleinement leur rôle face aux défis du changement climatique auquel le Niger fait face. La journée de la liberté de la presse, c'est un rappel, a été institué par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993 pour promouvoir les médias indépendants et pluralistes. Dans un point de presse animé hier, le président du comité national chargé de l'opéralisationnalisation de la l'opéralisation l'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. L'ambassadeur Adjani Ilo a expliqué aux médias les raisons de la Confédération Selon lui, l'émission du comité se concentre sur deux grands axes. Le premier consiste à rendre opérationnelle l'alliance des États du Sahel telle qu'elle a été instaurée par la charte du Liptako Gourma qui établit une alliance défensive en matière de défense et de sécurité. le deuxième axe vise à ancrer l'idée même de la finalité d'une confédération appelée Confédération Alliance des États du Sahel. Inauguration ce matin du marché de la commune urbaine de Berningaure, région de Dosso. Il a été réalisé avec euh, l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour permettre aux femmes de mener leur commerce. L'infrastructure financière à hauteur de 100 millions de francs CFA dispose de toutes les commodités standards pour le commerce. Après la cérémonie s'ouvra le lancement de la foire des femmes transformatrices qui durera jusqu'au 15 mai prochain. Une exposition vente euh, qui commémore la journée nationale de la femme. Et c'est tout pour euh, le flash d'information de ce vendredi 3 mai 2024. Merci bien Mokhtar, bonne fête à toi également. Alors, chers auditeurs, dans quelques instants, nous suivrons un entretien avec Samira Moussa, Idrissa, du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique. Nous en saurons plus sur les activités menées par cette jeune structure. Mais avant, Rabi, nous allons aller pour notre première balade musicale avec le titre Nyame Waga Connection, une belle collaboration entre plusieurs artistes nigériens et burkinabés. Yo, Connection, Waga We represent Africa. Hip hop never die. Je suis le number one, original, full style, guagaña, es fenomenal. Elle café prochaine débloque qu'elle lance un talk A tous les MC en état de choc Maintenant c'est dans pour oeil, À coup sûr je te concasse Des côtes mec je les pète net t'as plus de doute Goûte ma soupe là de boum boum comme Mohamed Ali Mon flot domine dans ta tête comme l'Italie De la Paris j'ai pas besoin de gueuler comme un animal Sois mon ami mon ami fais stopper la zizanie C'est pas bon pour le MC Si tu veux je t'invite en freestyle avec le MIC Toi le Goliath David Et l'histoire tu la connais tu sais comment ça finit Bartigues, Péto Cagé, Irisante Georgie, Capitaine Jack représente la Calcaré, Gabriel Awa'ala, Wuta Wuta, Mike Gogo Follow, Mogodugo Kalanyame, Burkina Faso, Niger, Irga Danje, Danje, Nirga Danje, Nyame Waga Connection, Fire! Nyame Waga Connection, Le Vol, Nyame Waga Connection, Danje Nirga Dan, Danje Nirga Dan, Boy, Danje Nirga Dan, Nyame Waga Connection, Fire! Nyame Waga Connection, Le Vol, Nyame Waga Connection, nigga dung dung you nigga dung si Siulu mic over city city Tu veux te Kiki Me pas c'est te flécher Gaga di dingo gam you si on gam I see humble I say see humble I see humble I say see humble Le mic yo placé mo tunga dung dung oui mo tunga dung je represent already Mo ngunda mu se bero sinda wane wane terrorist in the world de Comme le suis de de Je hein, avec un son juste hein. Mon hein. Je Représente il faut que ça donne la Ne me peno, ne kan ne pori bon tam ki yeda kar han pori bin ya gaban do be la tan wante la junya abak min te wan abak min te wan abak min te la abak min te la ni na me ma sen manda comme ça qu'on gère les choses na me ma bon tama faut pas que j'exagère wa kan ya me connection ça ça hey Connection, fire! Connection, le feu! Connection! Gamboy. Engineer Gadon, Nyame Waga Connection, fire! Nyame Waga Connection, le flow! Nyame Waga Connection! Engineer Gadon, Engineer Gadon, boy. Engineer Gadon, Nyame Waga Connection, fire! Nyame Waga Connection, le flow! Nyame Waga Connection! Engineer Gadon, Engineer Gadon, boy. Engineer Gadon, Nyame Waga Connection, fire! alors, une belle connexion musicale. C'était Kaidangaskia, c'était Jorodi, c'était Jaff euh, depuis euh, Ouagadougou. Alors, Samira, Passons à notre entretien du jour. Dans la première partie de notre entretien, Samira Moussaïdrissa, membre du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique, revient sur les activités multiples et multiformes de leur structure destinée aux populations, notamment jeunes, pour une meilleure prise en compte du changement climatique au quotidien. On suit. Le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique, c'est un réseau d'organisation de la jeunesse qui actuellement sont dans le domaine de la promotion de, de l'environnement, du changement climatique et, voilà, et des droits de la jeunesse en gros. Et quelles, quelles actions, quelles actions concrètes vous êtes en train d'entreprendre pour la communauté pour lutter contre le changement climatique à travers ce réseau Ok, le réseau euh, vise vraiment la justice climatique, la justice climatique dans tous les sens, à travers les engagements et la justice au niveau même interne. Le réseau a euh, d'abord essayé de sensibiliser la jeunesse sur ce phénomène parce que euh, il faut le dire, les jeunes sont en carence d'informations. Aujourd'hui, euh, on voit comment les choses changent, mais on ne comprend pas ou du moins on ne peut pas mettre des mots sur ça. Donc nous, on essaie de Niamey jusqu'à dans les villages, vraiment, essayer de rassembler les jeunes et leur faire comprendre ce phénomène mondial. Et également, ensemble essayer de, de, prendre des mesures et des actions qui souvent sont endogènes pour lutter contre ces changements climatiques. Donc, euh, il y a énormément d'actions que nous menons. Il y a les, les plantations, l'entretien des arbres. Euh, on, forme les jeunes également sur euh, la capacité à prendre les informations et environnementales et à transmettre jusqu'au niveau national. Donc là-bas, on utilise les SKPRU qui ont été eh, mis par les ministères sectoriels. Donc c'est des structures de, de, de personnes qui sont là, qui dès qu'il y a un phénomène qui est de grande ampleur au niveau communal, par exemple des maladies climato-sensibles qui font des ravages, donc ils peuvent relayer l'information jusqu'au niveau communal ou des inondations, comment éventuellement les gens pourront faire face à tous ces phénomènes-là. Maintenant, au niveau international également, euh, le réseau, à travers ces activistes, essaye euh, tant bien que mal de faire bouger les choses à travers les plaidoyers. Donc, euh, et pour ça, on part, euh, on assiste à chaque fois aux différentes conférences des partis, donc notamment les COP, où le réseau essaie de montrer d'abord la situation du Niger vis-à-vis de ces changements climatiques et les aspirations de la jeunesse nigérienne par rapport aux engagements internationaux. Selon vous, comment pouvons-nous sensibiliser davantage euh, les jeunes et quant à l'importance de prendre des mesures pour protéger notre environnement. Vous savez, euh, comme j'aime toujours le dire quand on est sur le terrain, l'environnement, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre à, à quelqu'un qui est là-bas au fin fond de, comment on appelle ça, Gadbeji, ou bien à quelqu'un qui est à Bermou. C'est son quotidien, il le connaît. Mais c'est juste qu'il y a certains changements dont il n'arrive pas à mettre les mots sur ça. Et il y a des actions que nos grands-parents faisaient depuis que voilà aujourd'hui au gré de, je sais pas, du développement ou de la modernisation qu'on a délaissé. Donc, il faudrait qu'on puisse faire comprendre à la personne que les changements climatiques dont on parle, c'est ce que tu vis là, maintenant, tout de suite, présentement. C'est pas quelque chose qui se passe en Europe ou bien en Amérique. Non, c'est ce que tu vois les, les, espèces d'arbres qu'il y avait avant qui ont complètement disparu. Les petits animaux qu'il y avait avant qui ne sont plus là. Tout ça, c'est dû à ces changements climatiques. Donc, c'est une manière de, de lui faire comprendre l'urgence de la chose. Voilà, donc c'est comme ça qu'on sensibilise les gens et qu'on les fait comprendre que en réalité, c'est pas quelque chose d'externe à eux, mais c'est quelque chose qu'ils vivent déjà. Et aujourd'hui, quand nous prenons Niamey, qui ne, qui ne se plaint pas de cette canicule Oh, il fait très chaud, il fait très chaud, mais ce n'est que les conséquences, les, les effets de ces changements climatiques-là dont les gens parlaient depuis. Alors, entretien réalisé par euh, ma binôme sur l'émission, Samira Rouafi. Nous y reviendrons juste après la revue de la presse. Et eh oui, Rabi, avant de poursuivre avec euh, la seconde partie de notre entretien, accueillons ensemble Nafis Sirfo qui présente la revue de presse de cette semaine. Bonjour Nafissa. Bonjour Nafissa. Bonjour les dames, bonjour à tous. Alors Nafissa, journée mondiale de la liberté de la presse, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme interpelle et sur euh, la situation au Niger, à titre à la une du journal en ligne Aïr Info. En effet, c'est dans un communiqué hier demain que le RJDH s'est prononcé sur la liberté de presse au Niger et ce, en prélude de la journée mondiale de la liberté de la presse à célébrer ce jour 3 mai. Selon le RJDH, la célébration de cette journée intervient cette année dans un contexte de radissement de la liberté de la presse au Niger. Les récentes arrestations de Souman Meiga, directeur de publication du quotidien privé L'Inquiéteur, et d'Ousmane Toudou, journaliste interpellé pour une publication en ligne, ont suscité une profonde inquiétude au sein de la communauté journalistique nigérienne, souligne la même, la même source. Dans ce contexte, le RJDH a fermement condamné ces arrestations, soulignant qu'elles constituent une atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression garantie par la loi nigérienne. Il a donc donc appelé le CNSP à prendre des mesures immédiates pour garantir la liberté de la presse et assurer la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur métier. En demandant donc la libération immédiate des journalistes détenus, le réseau a également exhorté le CNSP et le gouvernement de transition à respecter les engagements pris envers les médias, notamment en mettant en œuvre la convention collective signée en novembre 2021. Notant que la célébration de cette journée intervient cette année dans un contexte particulier marqué par la suspension de la maison de la presse. L'actualité cette semaine, Nafissa, c'est aussi à euh, la fête du 1er mai. Les travailleurs nigériens célèbrent la fête internationale du travail sous le sceau de la reconquête de la souveraineté du pays, souligne l'agence nigérienne de presse. Et oui, ce mercredi 1er mai, les travailleurs nigériens ont célébré, à l'instar des travailleurs du monde entier, le 138e anniversaire des tristes événements de Chicago ou fête de travail sous le sceau de la reconquête de la souveraineté du pays. Plusieurs manifestations ont été organisées dans la capitale par les différentes centrales syndicales, dont la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, et l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN occasion saisie par ces centrales de remettre, comme de tradition, les doléances des travailleurs à la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Madame Aïssatou Abdoulaye. Selon l'ANP, la quasi-totalité de ces doléances sont celles de l'année 2023 non satisfaites et qui ont été reconduites cette année. On peut citer entre autres la mise en œuvre effective du décret d'application du statut des auxiliaires de l'administration publique ainsi que celui des agents des collectivités territoriales, de la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé, de l'octroi d'une prime de départ à la retraite ou encore de la réduction du prix des hydrocarbures à la pompe et l'accélération de la mise en œuvre du taux du SMIC revu à la hausse pour ne citer que cela. La ministre en charge de l'emploi, après avoir reçu les différentes doléances, a rassuré, je cite, que ces doléances feront l'objet d'un examen minutieux par le gouvernement, conclut l'ANP. Après le départ de la France en Afissa. Pourquoi la production d'uranium continue avec Orano s'interroge le journal hebdomadaire Le Courrier. Selon le journal, depuis le départ de la France de notre pays, les relations entre les deux pays sont au point mort. Néanmoins, les relations qui lient le Niger à Orano, une société française continue. Les Nigériens s'attendaient au minimum à une remise en cause de la nouvelle méthode d'exploitation introduite par Orano dans les nouveaux accords signés avec l'administration précédente en mai 2023, ajoutent la même source. Cette nouvelle méthode, selon le courrier, peut détruire la nappe phréatique pour l'éternité. Alors les Nigériens s'interrogent sur ce qui se passe avec Orano pour que le statu quo soit maintenu. C'est la fin de cette revue de presse. Merci, bien, Je vous en prie. Alors, plusieurs défis se dressent face aux jeunes membres du roseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique dans leur parcours. Samira Moussa Idrissa, membres du réseau, réaffirme leur détermination à poursuivre leur noble combat et c'est dans la deuxième partie de notre entretien. Les défis sont vraiment à plusieurs niveaux. Parce que, euh, par exemple, nous, euh, au niveau du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique, on a mis en place des jeunes activistes un peu partout euh, à travers le Niger qui sont là, qui font le travail sur le terrain. Parce qu'on s'est dit que la commune, la, les communes appartiennent aux communautés. Et il n'y a pas mieux que quelqu'un à qui, qui appartient au terroir pour faire la lutte de la chose. Maintenant, ces jeunes font des actions et de plantations, souvent même des plaidoyers au niveau de leur euh, autorité communale pour pour que voilà, ces changements climatiques-là puissent être pris en compte dans les, euh, plans d'action communale et notamment dans les plans d'investissement annuels. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de climat, il faut parler d'investissement. Planter un arbre et l'entretenir, ça demande des coûts. Ils ne sont pas toujours compris. Vous savez, euh, euh, je ne sais pas pourquoi on a cette vision de la jeunesse, des gens qui ne prennent pas les choses au sérieux. Donc, même si ce qu'ils disent a du sens, souvent on a du mal à les associer. Vous savez, c'est toujours ce conflit intergénérationnel qui soit là, qui fait que on ne les comprend pas toujours. Mais ils n'abandonnent pas, on n'abandonne pas. <laughs> on continue toujours le combat, ça c'est l'un des défis. Le second défi, c'est vraiment le fait de planter et après, euh, on avait vu ça au départ, on plantait. Par manque de suivi, on revient, il n'y avait plus d'arbres. Maintenant, on a essayé de, responsabiliser les communautés pour qu'il puisse y avoir plein, et plus de suivi. Et également, le, euh, euh, la déforestation, les gens qui coupent les arbres. Donc, vous plantez, en même temps, il y a d'autres personnes de l'autre côté qui coupent les arbres parce que la maman, elle a besoin de mettre dans son foyer pour faire la nourriture. Donc, quand tu viens, tu expliques à un rural, non, tu ne coupe pas l'arbre pour... C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu lui apportes qu'elle ne connaît pas. Elle va te dire, mais tu veux que je fasse comment, que mes enfants mangent comment. Donc, tout ça, c'est vraiment des, euh, des, des, défis. Mais c'est vrai qu'on apporte également des... Euh, disons, on leur propose d'autres alternatives, par exemple des foyers améliorés. Mais vous savez, il y a toujours des gens qui sont un peu durs à, convaincre. Et euh, hum, quoi d'autre Oui, les autorités qui ne sont pas toujours à, à l'écoute de, de, de nous jeunes que nous sommes et qui ne remplissent pas toujours leur engagement. Parce que souvent devant les médias, on prend les engagements, mais aux coulisses, nous savons comment les choses se passent. Donc vraiment, tout ça, c'est des, des, défis. Les gens n'encouragent pas la jeunesse à faire plus, alors qu'on devrait le faire parce que cette lutte qu'aujourd'hui la jeunesse est en train de faire, c'est une lutte que tout le monde doit faire. C'est pas seulement aux jeunes de le faire. Tout le monde doit mettre sa pierre à l'édifice parce que aujourd'hui nous souffrons tous de ça. Samira, euh, ma question est la suivante. Euh, selon vous, comment pouvons-nous encourager l'adoption de modes de vie durables parmi euh, notre population Par diverses manières. Il faudrait d'abord qu'on individuellement qu'on change de comportement. Aujourd'hui, tu vois, je vais toujours taquiner mes mamans qui partent, ou nous-mêmes qui partons au, au, marché pour acheter nos différents articles. Tu vas voir euh, même celle de 25 on te met d'un plastique. Et puis tu achètes d'autres, on met à la fin tu reviens à la maison avec des tonnes et des montagnes de plastique qui, se, qui vont se retrouver après dans, dans, nos, dans nos quartiers pour former des montagnes d'ordures. Donc vous voyez la chaîne. Aujourd'hui, bon, à Niamey, on dit qu'on n'utilise pas trop le bois, mais jusqu'à là, si on vous dit la quantité de tonnes de bois qui, qui entraîne à Niamey, c'est hallucinant. Donc, c'est des choses que nous pouvons changer. Par exemple, pour le bois, on peut utiliser très bien le charbon minéral qui ne, qui ne pollue pas trop. Mais tu vas entendre, les gens vont dire, nous, on a utilisé le charbon, mais tu as utilisé le charbon qu'on a produit avec du bois, qui est encore pire. Le charbon minéral est là qui peut être utilisé. Et par exemple des actions anodines en sortant, tu éteins la lumière, donc tu diminues l'empreinte de carbone sur l'énergie. Nos réfrigérateurs que nous utilisons, qui sont là allumés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la nuit tu peux l'éteindre et le matin tu le réallumes. Donc tout ça, ça réduit ton coût d'énergie et ça réduit également l'empreinte de carbone. Donc, ce sont vraiment des petites actions que nous pouvons faire qui, en réalité, ne demande pas très grand effort et qui peut faire énormément de différence. Entretien pour euh, une euh, vie éco-responsable qui touche tout le monde, ce changement climatique, c'est un entretien réalisé par Samira Rouafi. On le reprend juste après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Studio Rabi, nous passons à présent à la rubrique hebdomadaire de ce vendredi qui nous amène à la découverte de l'association féminine Garkoua du département de Ngingimi, région de Difa. Cette association est spécialisée dans la transformation des arrêts et des têtes de poissons en aliments pour volailles. Une activité qui permet à ces femmes de subvenir à leurs besoins et à lutter contre l'oisiveté. Madame Issoufoua Chatou Amadou, présidente de l'association, explique au micro de Maina Sana'ar mu sarrafa kan kihi da ƙayayuwan shi zuwa abincin kaji. ku nawa ne a cikin wannan kungiya ta kuma suna garkuwa? A wannan kungiyar ta mai suna garkuwa mu ɗari da hamsin ne. Shin a ina kuke samun wannan kaya da kuma kai na kihi din nan? Eh a inda muke samuwa a wajen masu kama kihi. Su ne in suka zo, alal misali wani lokaci mu saya, kuma wani lokaci wasu suna ba mu kyauta, kaya da kai. In suka ba mu kaya da kai sai mu je elevaji, akwai sinadaran da muke saya wajen mu shan elevaji, sai mu kawo mu sarrafa akwai inji na hannu wanda ɗan ƙarami wanda gare mu, sai mu haɗa mu niƙa. In muka niƙa sai mu mu daure in muka daure masu kaji sai su saya su ba ma kajin su domin yana ƙara sinadaran jikin kaji mutane suna ganin alfanun wannan abubuwa da kuke kamar mutane suna jin daɗin yaya abun yake faruwa misali eh to da farin gaskiya ba su gane ba amma yanzu an gane domin duk wanda ya sayi wannan sinadaran ya zuba ma kajin su suka ci zai gani kazan daban ne da wasu kaji domin zaka ga kaji ya murmuje kuma sai ka gani sun yi mazan aihuwa kenan yana da bitamin ne a ciki kamar anan nan gegi mai kaɗai kuke sayar da waɗannan kayayyaki naku? Lokacin da muka fara a nan gegime muke sayar amma yanzu sannu sannu ta sa har mun yi gaba. Muna kaiwa kasuwan kablewa muna kaiwa kasuwan kincayindi har rifa muke kaiwa a tara har Najeriya wani lokacin ma muna da lambar waya sun dauka suna buga mana sai mu ba ma direba da adres din mu sai su je su dauka a hannun mai mota gaskiya mun ci gaba to kamar yanzu wani alfanu kuka samu a cikin wannan sana'a da kuke ta sarrafa kan kihi da kuma kaya zuwa abincin kaji to alhamdulillah wannan sarrafa kan kihi da muke ga abincin kaji mun samu riba gaskiya alhamdulillah a ciki za mu ci a ciki za mu sha a ciki har za mu ma 'ya'yan mu aure za mu rufa asirin mu za mu rufa asirin uwa uwayenmu a tare mu alhamdulillah kuma muna da kes game da mu matan nan 150 da hamsin muna da kes wanda za mu zuba ishirin arba'in kenan za ya zama kamar rufa asiri ne ran da cikin mu 150 da hamsin wani ya samu matsala a ciki za mu tattara mu ba ma mutum kenan asirin su ya ragu ba sai ya tai wani waje ya nema ba cikin wannan kuɗin na kes zai ɗauka ya biya ma shi bukata. yanzu wani kalubale kuke fuskanta a cikin wannan sana'a ta eh to muna fuskantar kalubale da yawa yanzu gaskiya kan kihin ma yanzu ba kamar na da ba samu me yasa na ce ba kamar na da ba kihin ya tsaya bisa kan ya tsayan ma yanzu an gane kan kihin yanzu wani in ka je ma bayya saida maka kuma bayya baka abin da yasa domin yanzu an gane dauka ake ana kaiwa a Najeriya domin har markunci ana yi kenan aka yi markunci shi ma daban ake saida shi don shine gaskiya yanzu muna samun kalubale da yawa game da samun kan kihin nan duk mai da kaya dole ya jure da bashi kenan bashi baka ciya baka bada kenan dole kana bada bashi amma dai yahi dai ka zauna ba sana'a Koda kana bada bashi ma wani in ya hana ka wani zai baka menene yanzu kiran ku ga shugabanni yau eh ta kiran mu ga shugabanni gaskiya wannan sana'an da muka fara muna son shugabanni su tallafa mana game da aikin wannan da muke yi gaskiya mu ne ma wanda muka fara sarrafa kan kihi da kayayuwan sha kenan ya kamata mu mata ne wa muke kenan ya kamata ma'aikata da project su tashi su diba su kama mana in sun ba mu haɗin kai harkar mu yahi hiya yana daidai. Ina ne zaki gaya ma sauran mata wayanda suke zama basu da sana'a? Gaskiya abin da nake gaya ma 'yan uwana mata kar ka zauna ko mi ka ce sai miji ya baka. Yanzu zamanin nan ba zamanin ka zauna miji ya baka bane. Kenan kai da kanka ka tashi mace ma kamar namiji take jajircewa take har wata mace can ta hima namiji. Kenan ka tashi kai da kanka yi dogaro ga Allah ka nema. Bai yayuwa sai ka gani wani lokacin namiji ya tafi ya wuni ma ko dala bai sa ba sai dai ya kakkaɓe aljihun wandon shi ya zo gida. Kenan kai in kana sana'a ko da shi bai da karuwa ma kanka asiri ka rufa ma ɗiyanka asiri har shi da kanshi ka rufa mishi asiri kar a yi zaman banza ko da ba har harkan sarrafa kan kihin nan ba da ƙayayuwan shi kar su zaman banza yan uwana mata uwayena mata ƙannuna mata ɗiyana mata abokaina mata dan Allah dan annabi kar ku zaman banza zaman banza wani yanzu ba lokacin a zauna zaman banza ba aiki komin ƙanƙancin shi ku yi shi domin rufa asiri ne C'est avec euh, cet appel de Mme Issoufou Aïcheto Amadou à l'endroit des femmes, un reportage euh, réalisé par Mena Abdoulaye que nous allons suivre à présent. Notre musique qui suit, faisons un deuxième tour en musique avec le titre "Taboucisé" de la grande ZM en collaboration avec John Sofakoli. Je dois partir car j'ai honte. Honte toujours tendre la main. Maître de toutes mes facultés, faut que je gagne mon pain. Je m'en vais là où l'espoir est possible, même si là-bas ma vie serait jamais paisible, où mon visage triste passerait invisible. Je partirai car chez moi la jeunesse est sacrifiée. L'alternance est modifiée à son propre sort, elle est liée hai kasam beza zaya lora go ga kwai nyango dangai inna no wasa hankan ka da suru kun no gaban dabi gaban rai gaban ya dinga no wasa Je dois partir horizons pour qu'un jour, à mon retour, mes paroles aient raison. Je m'en vais là où l'espoir est possible, défier leur mépris et leur climat impossible. On m'a dit que chez eux, la misère est visible. Mais ici, c'est celle des miens et de toute cette jeunesse cible qui souffre en silence sans évolution possible. Je dois partir. Il paraît que là-bas, toutes les cartes ne sont pas encore jouées. Mais ici, pour ceux de ma génération, le jeu est déjà fini. Bon nombre de nos aînés ont échoué. Dans l'alcool, ils ont sombré. Dans l'échec familial, souvent dû au manque d'emploi, la misère les a cloués dans leur tête. C'est sûr que de regret de ne pas avoir fui quand c'était possible. Avant que la vache ne devienne vraiment maigre, je dois partir. Peut-être qu'un jour à leurs yeux, je serai crédible. tabu si zai ka san bai zaya le titre Cisé de la Grande ZDM en collaboration avec John Sofacolé. Cette fois-ci, passons au reportage région et cap sur Tilabéry. pour ce reportage. Anzurei un Anzarma ou culture collective au profit des beaux-parents en français est une pratique culturelle en voie de disparition dans la région de Tilabéry. Elle constitue une source de rapprochement et d'estime entre les familles. Bref, la promotion de la cohésion sociale au sein d'une communauté. Écoutons l'entretien

nigi hinka konda babo bumbo babo kaina wal bine hasa. hankan wargo koy an zurbogo wodo da ite goy muradu gelen se bor hinzano ngai gaba ni woni galab bor waranza ngai mo han foyen iga bor waydu ngarite an zurbogo da bonna sambo hande hane mantini waddai mantini bere bor kul kam ma bogo gogo koy aganga murado nan im koyn bogo dinte fari kul kigar boraydin fami wara kigi ka kago iga kulgo zarwar an su bogu bai daga sintin amma ka de chino handin fargasino boreg margo ko goino borai margo ko goino koy kulkan dumino anzurase se ima anzura faro goi, ima anzura wone beerey wal kayne faray goi, ima hasabe faray goi digi hin ima yeka kahu zari follon karan zari follon karan kulgate dogo yo bani gi sintin goyo bor mari cinno gi hin ko anzura bogo do anzura bogo a sinda me zama han fo bor fo zari ni gama labaro igonge bum bo fariri gogoy go gai ima gari anzura bogo do Mini hasaro go baka te filandu anzura bogo hambara jamaman ba to nan gaba wodi maga han fo yan dindi hin kan bore goy zari da kai shudeno yadin no anzura din do here bore yanga ma de filana du zurbugu iman babe kal zaro kigi di boray go koy igi sobe kan ariante ka jara ka koy goitere gar imis ko kane kan anzure ka ga anzura farori go go i heray to handan kan iga anzure bogo tani din a gonda mana wala sin abisa mana ga me zama wodin no ga nan borbun bo gina iga bai maiti ai kan ko hiji filana izo filana din ga bay maiti ni kan ka ka hiji izo zama wor ga bay kan filana ka filana hay filana filana hay me borawo dai dai ha agin ka tonan di mataka gaba handin non ni wodi wana fahama wodi sai mono bora kulga an ne da kumura da yoga sandi gonda nafa gumu gumu mo ñeyi tare do buyon do har so hon mo wallahi bore ko gana so sigite so asigete il faut se ka sigete so to kan sa sigite so hon igina de bore ne hiri ndangar kan se higo kan wato ni sara wato ni sara watin an zurbo guda go koy in sidan lakkal war war go ko. hay foceci goy hinna ma gor go an zura din kan do war go ka asidan lakkal war kan wannan kaka eh, batuma bo fo goy sa wakin me yada a a danga lakkal war no namu no kan in nagar irmo irma te kamantin da alzaka baka sine an barango handi wasu badi a tarai bore yonno ka kai non koy farfilando o koy bero faro fardo wo koy asay wo fardo ko kiya kan wor hija kan ganan ikulma bay kan wallahi borayo wone innan kagar inna meira nga riga ce gumu gumu hon kun zari oni zari gono su zari mo da kai wannan da wodo ni kai wani iya sa to kike ta handi zaro roho ni bumbo kan ci anzura ni gonda kira hin ka kan warborin ka zahu ngaro ka wannan ka de da wariya ka hu koi ne warsu curgus no de warsari hanno ba bin sa ya no ni kira hin ka gate kan isin ha isin boro mu kai ni sene wo mu kai ni sene wallahi ni sifar gan si tabi ni su kogor ko ne zammo jamari mane de man abara ah, kan kanser bugu bine gan hendi go gor wal gan hendi ko ari bada bada ba sarfo folo se zaro mi nyokol mi ambar jingar yanga imre Entretien culturel réalisé par notre correspondant de Petit-Labéry, Boubacar Morou. On se reprend juste après la pause. Le studio Kalangou est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. c'est l'heure euh, du sport euh, et nous sommes avec euh, Hasumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour, bonjour, Alors, nous irons à Dosso pour revivre le championnat inter-établissement de la région. Oui, c'est une rencontre qui a été organisée par le Conseil communal de la jeunesse de Dosso et la direction régionale de jeunesse de sport. Objectif visé à travers ce championnat, cette rencontre, c'est une consolider l'unité, la fraternité entre les jeunes. Dix équipes étaient en compétition. C'est Tagour qui a remporté d'ailleurs le trophée devant Dosso au tir au but. Pour plus de précisions, écoutons le président communal de Dosso, Aminou Maro Souley, au micro de Nana Dizassan. championnat inter-établissement. Ça fait de cela deux semaines qu'on est en train d'organiser cette compétition qui a regroupé dix écoles, 10 établissements. On a ciblé six établissements de l'enseignement général et quatre établissements de l'enseignement professionnel. On les a mis en compétition. Voilà, aujourd'hui, on s'est retrouvé à la finale. Une finale qui a opposé le CS d'Osso et le CSP Tagou. Voilà, on a joué cette finale dans la tranquillité et notre objectif a été atteint parce qu'on a fait ça pour le renforcement de la cohésion sociale entre jeunes et l'objectif est atteint. Vous avez vu la participation. Même les championnats nationaux ne regroupent pas tant de personnes que cette compétition. C'est un honneur aussi pour nous de remercier la jeunesse de qui ont participé de loin ou de près et les médias qui sont jour et nuit avec nous pour faire la promotion de cette jeunesse-là qui a besoin de cette euh, promotion. Donc ça s'est terminé à combien, de Et le match s'est terminé à 0-0 les équipes se sont départagées en tir euh, qui a mené 4 contre 3. le CSPT Tagour a remporté la coupe. Accompagné une coupe qui a une valeur de 35 000, 20 000 pour le premier et le deuxième a, a eu 15 000. Retour à Niamey pour le tournoi de Maracana de Niamey début, qui a débuté le vendredi dernier. Euh, oui, Rabi, c'est une rencontre qui a regroupé les jeunes ou qui regroupe actuellement parce que la finale, ce serait pour le samedi. Des jeunes et des moins jeunes. Dix équipes étaient au rendez-vous. Euh, la finale est prévue demain samedi. Le promoteur de ce tournoi nous fait un peu l'explication pourquoi ce tournoi, quels sont ses objectifs. Nous l'écoutons. Justement, c'est un tournoi de Maracana, petit poteau, c'est-à-dire différent du tournoi de Maracana classique que vous connaissez avec euh, euh, les buts des, des handballeurs. Mais nous, on a choisi euh, ce concept de tournoi de Maracana Petit Poteau. C'est une manière également de faire amener tous ces anciens voilà, à retrouver, c'est-à-dire les plus verts, comme on le dit et voilà, se partager dans, la paix, dans la l'allégresse, c'est-à-dire cette discipline que nous aimons tous, le football. Voilà, l'objectif, hein, il, est multiple. Hein. Aujourd'hui, chacun dans sa partie d'intervention essaie d'appeler, d'amener sa pierre à l'éducation pour, c'est-à-dire euh, cette cohésion sociale, c'est-à-dire euh, cette lutte contre la souveraineté euh, que nous cherchons prôner justement par nos autorités nigériennes. Donc c'est dans, dans cette optique que nous nous sommes dit quoi. À travers le football également, nous pouvons apporter cette petite touche. Voilà, aujourd'hui vous avez vu, hein, euh, ça a été j'allais dire, une réussite jusqu'à jusque-là, parce que la finale, elle est prévue pour ce, samedi 4 mai. Le tournoi a débuté il y a quelques jours, le 26 avril dernier, avec notamment 10 équipes hein, en lice. Euh, voilà, donc euh, quelque part, euh, le tournoi, sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, aucun incident majeur n'a été enregistré. Le, facteur X hein, de ce tournoi, c'est apporter, c'est-à-dire notre clarification de cette intégrité hein, que tout le peuple nigérien essaie, de chercher depuis longtemps. Aujourd'hui, hein, vous le savez, le Nigérien a bien compris c'est possible euh, euh, d'être euh, souverain. Et voilà, et nous, à travers le football, on essaie d'apporter notre l'éducation. Oui, euh, monsieur le promoteur, est-ce qu'on peut savoir une idée des équipes qui seront en finale ou qui sont en finale C'est le carré d'as. Le carré d'as, déjà, il y a quatre équipes. nous avons l'équipe de la Cour des Grands, la Cour des Grands qui est, divisée en deux, la Cour des Grands 1 et la Cour des Grands 2. Nous avons également la Nigilec. Voilà, nous allons jouer les demi-finales et passer à la troisième place. Et juste après, c'est ça, cela, nous allons euh, jouer la finale. Ça veut dire que vous faites la promotion de la jeunesse justement la promotion de la journée, Il faudra que les jeunes comprennent que eh, chacun dans sa parcelle d'intervention, que vous soyez <laughs> militaire, que vous soyez garagiste, que vous soyez médecin, que vous soyez journaliste, parce que je suis de formation et je, suis également euh, amateur de football. Donc je me dis, hein, chacun dans sa parcelle d'intervention peut apporter cette petite euh, touche hein, pour euh, aider, pour être aux côtés, hein, partager les idéologies du CNSP. Oui, Rabi, Samy jouer au foot donne le fair play. C'est la joie. Ouais. Oui. Au C'est la joie. Au revoir, Gouza. Merci beaucoup. Alors à présent, après ce sport, euh, passons au portrait du jour. Et eh oui, nous allons à la découverte de notre star du jour. Il s'agit de Amadou Ali Adamou, dit Mabboy, un jeune artiste musicien de la région de Dosso. Mabboy a quitté les a quitté les bancs de l'école pour se lancer dans la musique. Son portrait est dressé par Moussa Hassan. zamano ra futti jibobu no go fuddo ni rakatema aruso kan si gine madboy ba ga go ira atire mayo amadu ali adamu madboy wa aruso jiri wancin din kai zano kan fuddo ni jiri bandera fanno kasu ban tira rapido an kan ga sai da yayi sintin ka in inda ya chora ino ya ci group da ino yar sai ya ci inda ya chora yar irga to yar borgu irga ka irga irga foro irga karra kon kai je yon irga guna dono ko bere irga ni video ya guna ya di ya di ngade to me an solo no boy kulgo kon ningara ka ne shi ai ga barano wadin maga sai no ai furara doni magano mad boy labo kul naru kidi kwara bobo sintinede do no kai sinti ay mamma bonen de kware kware ngon kai gebe ir er grand frère bi ak jinki encourager ak bodano be no teme an fu na de kiti irdu er jama de kan nga bero abdulaziz umar ke bandana gana sanda bero no mada boy ni nga kano lakol kala kala ye do no ga bai kulun da murado kan kana ngo dono da yanwa da yanga gini kwa gaske dono ma ga cew yango mbo na gayi mun ka na se al dono diyan wa ga ala ga ta se ne ngo dono da yanwa ta yanga sai ne to se ga amso ba ka didi ko ma sa ite amadu ali adamu kashi ne boyi boy shi gas so fungin gan haya kan ningi binafun kan ga shi doni mu gor kan bokoli sanda cewa ko beri kindo Après ce portrait, rendons hommage à toute la grande famille de la presse qui nous suit dans cette émission, en cette journée internationale de la liberté de la presse, avec notre dernier titre qui est Presse de feu, Maman Barca. et musulmans arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bayonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. La voix de la presse, c'est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple doit s'en servir quand il a besoin. Il peut s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le baillonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. Président de tous les pays, dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités, libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. La voix de la presse est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il peut s'en servir quand il a besoin. Il doit s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le baillonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Alors, c'était presque de Feu euh, Mamambarka. Samira, passons à présent au lotir qui nous propose comment rattraper une sauce trop salée. Et oui, il existe des astuces pour corriger sa sauce. Alors, on découvre ensemble de quoi il s'agit. Et c'est parti avec Rukayetu Abdraman et Hakia Arimi. lotti, <laughs> <laughs> matini kok kok kok gorga sin matin kani ba ni same hmm ifo hauka ne go ma honku ni fo non go hinir seo ifo non ne ba nin dai no abu mai yanno iro din kan ni go ki ai gini bai ni suke da windo wora ka dai din ma ai kwar so hawo kai ga bisini kwar ga hmm kyaro ai no nugu somo bini ai komo ka dai no di hannu ga babar kan gin ga gorko ai gin bai bu ai man bere ai wani kai ni kwar bu to zakan nika dai ga taga ta baya ise foyo gama kiro mata na goda zama ai manu baniya kai ne mici ni se ma fenai goga te zama ai wani alborai no go ga fa rai se hunkuna alulo to kan dai ma hmm, rashida kiri ifo te ku har nun nin foyo wote da he kiro ba ni mu. wai ni mene ni wani goga te hiniyan gwaninta hiniyan wani yan wani <laughs> zanga mate abin da aina matuki ga foyowo te aina gana ke me dari ke me dari hinayen wani tirara hey ai gini bai gwargasin din mayo din kan ga ba yai a gini ga te ni de na no si ga gwai na ngai mta ba gama sai foyo janca me nimo kai kai kai kai wallahi gwargasin ne ga kim subhanallahi mata na ga te gwargasin ai alborai mo goka da tonton da Hmm, ne lakkale kanandi musu humburu ai gwanda fondi yankan ai ga gana ga ke bense matkan no ga tega no fo chiro zabu to min hangai feri gama ai go gama ni se dinga ba no fo chiro mu zabu ni mudu na dangi bi zihinka wa kan san sarage ne sharbon ni mi nyum halin bori ni mi ke tun fora wat kan kina go zarga dangi bi hey fa gorgasin ni bai fo yom bino hay fa nimmo ai man nem kogi bobu ku gidan arabo izi hinki hindu wasa e minti hinki hindu wasa da zargani maka nufo kiro kulga zabu din sindi sharbon mu soyan bai gazo watu no mantubar kulno gwan dangibi din sindi dangibi wadi ni numdu nu pomdo tari zakan na fifiri ni ma dumbu dumbu ni ma kitun foyora da zarga aga kiro din kulhan wallum du wai banana din kansi ne banana plantain ingin boda agati da zarga mintiyan ni maka ni foyote to ba nan plantain wadin kan ne gike han kai igin waya dinga ya mun toy maka foyo rame wala ha wadi ne nok bai fa din foy da ni foyo ran ni foyo te foy food ma wadi ne nok bai mun bai mo kan ba sukar fallon ko din duwa agte din da ni foyo ra kai fo nim kan kan ba ra kai fo su sukar na da aga foyo ciro gyara kulzab irkoy bere da ko ni ga hay kunno ni gama foyin da sukkar to ai sin da hina kulu ai gin wani mar yan wasan budaino to wasu ko gin hinne ngo banandi hay kai gina monnoni wani haye wo kulu bon din biniya yadini hmm. iri wasa bai bon gurpa dai kan naga janki wat kulu gurpa din bon dai no irga charno berai wadi yan kulbo so hon kuna ni dini te murado a nin no berai to gargasin ai sabu wallahi aiki ki ni se dai fo yo kiro zabo amma ni mo ni do hara ko kari gaidan aran gurpo dira hey ir gurpo kan ne ra gaitan tai ko non kyar ku bayara ai sigin da ba ni gargasin ni mo barsi bora ganan dinga da sai ganan daida manga manga telefono bumboda zai koi fo gin hantu ai ai go gudu wasi ki yan bumbuda ai gidi ba so hin yan fudum ni sambirse ai go kon yan duba bugwa ma fa hukuna eh to masidirin yan fa yan dunya maidan grupo dira insha Allah <laughs> to ai sabu kuma pas loin de nous dire au revoir, euh, mais cette fois-ci attaquons l'émission. Euh, dans cette émission, le Niger sur Kalangu, euh, la culture linguistique, et ce matin, ça sera avec Alamine Ouachar du desk qui nous vient avec le mot de la semaine travail. Salut Alamine. Bonjour Salut, bonjour, salut. Vous allez bien Oui, ça va. Ça va. اولا دغرت ويقرنا آه، تفرتن ترافاي يعني دات تا الشغل الشغل آه، موسى ازل وزر عند تلي تمه ازل وتكس الدنيت آه، دغرت ويقرن باتو ما شغلا سنتا سنتا ازل ودغا اقمينا ما شغلا الحق نسن سادا سنتو كنو تمدوت نسن فلقنا ويقرنا المثال ودوان زانك الشغل يموسر دغرة ويكان انت نويدن astus wadamaa dhaqaa dhasetnedineed wartilaal xaqo oo garan دي نشام فلسا الدولة مانت إلى الحق في الدولة لا توقلن توتن ودغ الشغل يعني توتتك لغ الشغل دا أرتوقلن سجوارن ندنيت كول اكتان دزل واتكسدن دا دابتو انتلان الحق نقرو انتلان الحق مشغلا وناس دغ السباب نتقتن ما الشغل وين دق مرنين فلد السكن الشغل النسن فلد مقرد نس الحالة تاهن دار وقرن الشغل وين تاقين دد دررن استدهل الحكوم فلا مكنو انت مدود نسن دغا دي شغل يمو صارت يتاقز انا شرفنا ويدن الشغل يمو صارت سنتا اي الدنيا ويدا الغلات فلقنا ويقلن نمود انت مدورتني تغدي نمود انت مدورتنا ويدن كول اسور قاعد يشغال ورزاكم دا الشغل يموصر دغرة وين لان المعنى الشغل يموصر دغرة ويناس يوارا كنك قادم التيجمي مدير يشغل فلا غاز مانت دا شروفنا العيال نت دا شروف مانت دا غادي سميرا ودون زنا صرت وقلا الشغل انت نادر تنمر Tout ce qu'on a entendu, c'est Samira. <laughs> <laughs> Merci à la mine. Vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout dans le pays. Écoutons quelques-unes euh, de vos réactions. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. mai magana mu tare basiru garin malam da magaran jamhuriyar nijar to mu gaskiya muna ma studio kanangu fatan alkhairi matuƙa dangane da cika shekaru takwas shekaru takwas ba kwana takwas ba gaskiya sosai muna mata fatan alkhairi allah ƙara hazaƙa kuma allah sa ta yi shekaru irin na dabino eh mu gaskiya shirye-shiryen studio karamku sun wayar mana da kai kuma sun nuna mana yadda za mu so kasan mu so al'umma kuma mu musamman ma mu matasa ta wana mana shirye-shirye na wayar da kai irin na mu haɗu a fada da matasa mata domin sanin su ma menene ya kamata matasa su kawo maza da mata su kawo gudunmuwarsu da ƙasa kuma tala wayar da kai sosai bisa kan ilimi da zamantakewar rayuwa da bangaren al'amura na rayuwa musamman ma na kiwon lafiya sosai muna godiya kuma wannan shiri ta hudu sabo na nitar kasir kalanku gaskiya shi ma ya ba mu dama domin mu san artist mu matasa da wanda suka jima ba a ji su ba da ma masu harkokin kirkire-kirkire to gaskiya sosai wannan ma ya kara kayatar da mu sosai kuma muna kira da ita studio kalangu don allah da ta buɗe mana wata kafa dan club cewa da wani guruf ne na sashen wazaf ne ko guruf ne dai wanda zai ba da dama ga masu ta domin tura saƙonni domin ba da ra'ayika a duk lokaci in ta ɗora shiri irin na kafafe na yada labarai na duniya muna so gaskiya su da kanku ita ma da ta shiga tsawon irin wannan kafafe domin yadda za mu rika tofa albarkacin kuma kenan su masu sauraron nata na gaba sai san na yamma na kudu ya san na arewa kuma muna gaida abokanmu yan uwa da amanan arziki musamman masu sauraron rediyo na afirka muna masu fatan alkhairi kuma muna gaida amanan arziki balarabe a gaida mun muhammad naziru da yake nan unguwar garin malam ina so a gaida mun uwaye na maza da mata. Aino mun kai mun mun kolbu. Ne wa rajo kalangon gar kono ce da ce ga hangan ai ga faham ai gugu mu fahamai a hanganin wora zama irga ma labari yanki ginno ngai ginnon da irgo ga di alhali go ga mamu mutkan go te dunyara. Ko inda hadde rezo karari go hey kulkan go te rezo fora irga faham mutkan kin bare go bai mu kai boye mu kai charga ga goyi labo mutun ga bunga bu ku mu su ka kan bukoli gane imidi. O zama ni di rezo o kana digo kai ku tara ni no arajo kalangu ni da chota songo dubar go arajo chota hanga kalangu kan la ba mutu am wom ko te san fuke ki i chota da kan bolgo hanga ni no arajo kalangu agin no bo fere aseno alhamdulillah irgo ga hangar wallahi ke Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Bah voilà, tout est bien qui finit bien. Ici prend fin notre émission de ce vendredi 3 mai 2024. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et de moi-même Samira Wafi. On se prend ce week-end dans l'actu des jeunes, Inch'Allah. On se dit à 17h pour notre programme de 2h qui débutera avec la grande édition. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. bye. bye.